mais tey jii li Blanche Vivre moy euh, vidéo obscène nous nonou ñuko ñu génnee ci émission bi ñu wax nous mhm. euh, comment nous le gisee parce qu'il y a des Sénégalaises quand même ñu dund peut-être mhm. ça a détruit leur vie mhm. d'une part mais un homme comme Lamine est-ce que par exemple pour donner une seconde chance à une femme qui a un tel vécu réponse bi dama koy commencer na ku nekk teg loxoom fenn waat ne awuma benn vidéo boo xamante ni su ma génnee lu gàcce ci man tey sax ñen ñi woon ñu ko gis lu mu simple simple simple aussi basique que ce soit. Mhm. c'est-à-dire chaque personne am na bàmmeelu biiram. ça veut pas dire que dafa bon. Mhm, mhm. bëgg sa copain tax nga taxaw sa kaw salle de main fekk yaa ngi solu wala peut-être sax yaa ngi solu ah. nga teg vidéo bi nii jël sa soutien di ko def. tu as on on te voit. mais est-ce que Lolo sous rëccee dugg ci internet bi ça veut dire que nit ki bon mm-hmm. de quelle intention la ko fait ah. c'est à tenir en compte mm-hmm. donc moi je ne juge pas les personnes sur des faits ponctuels yu jot xew ma ciy teunkou ne ni la même mm-hmm. bien vrai que nak waron na mon a voilà donc c'est d'où euh, la nécessité d'écouter les personnes qui veulent se repentir yu ont ci ay chance et qui peuvent être meilleurs même que ñi nga xamante ni jotuñu def mais euh, d'après sa réaction cette cette seetaan euh, série bi euh, télé réalité bi dina gis déception d'où déception Dans la bête, ok euh, j'étais pas encore déçu d'elle mais j'étais surpris venant d'elle c'est différent voilà c'est quelque chose de différent donc moi, quand tu je suis en train d'amagasiner. Mhm. de l'information mhm. et pourtant après je n'en ai pas tenu rigueur pour autant après conseiller rek aussi dans la vie il a elle a évolué mhm. professionnellement après elle s'est prise en charge après les réalités de la vie te confrontent à certaines situations donc parfois ça mal ou pas ok et et loolu du la influencer euh, si nga mën ko éliminer ou pas. non non non non ça c'est c'est c'est d'accepter les aléas de la vie accepter que la personne puisse faire des erreurs mais man ki may considérer mooy ki may considérer à partir de moment bi mu lay xam ak fi ñu li nga je peux pas faire une <laughs> genre rétroactivité d'ignorance, ñëw naan dama ciy juger wala dama ciy wax dara. Mhm c'est comme euh, l'histoire des, peut-être euh, un message en même temps des mères célibataires qui après trouvent un homme. L'homme lui rappelle son passé difficile. Mm-hmm. C'est compliqué. Mm-hmm.